merci monsieur le président monsieur le ministre nous ngi lay Nous féliciter bu baax le ministère des finances Nous le ministère chargé des institutions de allons ñi monsieur le ministre mon collègue de tout à l'heure cité mon maire Malik Fall mais malik li mu sol de fii ko muy di ñaw bi di mbaxane serigne basirou. waaye moom mi ko doon wax costume bi mu sol ak cravate bi dara du ci Sénégal kon du consommé local monsieur le ministre Sénégal ci boppam nañu arrêté di diaboliser surtout les paysans moi je suis paysan mes parents sont paysans. Je suis du village. Mais je suis sûr que cette misère dont tu parles là et le Sénégal que tu décris, il est où Ce n'est pas le Sénégal que nous vivons. Vous parlez de l'agriculture, mais quand le président Macky venait au pouvoir, il n'y avait que 6500 tonnes de semences sélectionnées. Tout était écrémé. Mais aujourd'hui, nous sommes à 60 000 tonnes de semences sélectionnées. Une agriculture demagul Il yow a agriculture une tonne 500 de riz 1 million 500 000 tonnes de riz 1 million 500 000 tonnes d'arachide autosuffisant en pommes de terre pour 11 mois en oignon pour 11 mois Il y a une agriculture bi Il y a des Il y a sénégalais c'est ngeen wax ci sujet bii muy budget bi ca ñu bàyyi nous sommes un pouvoir législatif laissons le pouvoir judiciaire faire son travail c'est pas à vous de dicter le pouvoir judiciaire suñu nit duñ leen vous da ngeen di wax rek au nom de la présomption d'innocence je respecte mais si Ndour a ngi ci kaso bi pourtant lañ koy jiiñ dey la ñuy jiiñ seen ponkal mi ca mu fang nag ca nangu ko ca dem fa ah kon kay su doon am kuy kaas wala muy am ku mécontent wala kuy wax ñun la war a doon ñun ñun jàpp suñu nit tëj ko ca loolu yàggul ca yéen ngeen maase wu trent fois jaar fa fanweeri yoon nangu ko ca nekk ci biti mais dama ni da ngeen ni dal ci amul noppi Macky Sall wàññi njëg yi nous devons être des citoyens nu les députés Quand l'État prend de bonnes mesures, c'est à nous, députés, représentants du peuple, d'aller voir les populations, conscientisées, les commerçants détaillants et les grossistes pour leur parler. Mais ils ne parce que vous n'êtes pas de bons républicains. C'est pourquoi, M. le ministre, je pense qu'aujourd'hui, il faut penser à faire revenir, repenser le modèle de la caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Repenser le modèle de la Sonadis pour qu'il y ait des magasins témoins dans les quartiers qui obligeront à respecter les prix. Nous ne pouvons plus avoir un service de contrôle économique. Sénégal n'est pas Ce n'est pas possible. C'est des services de commerce avec les accords de l'OMS. Parce que vous êtes des dictateurs, que vous êtes nostalgiques de cela. Mais quand vous appartenez à un parti, où on prend un décret pour nommer des membres du bureau politique. On ne les élit pas. Vous pouvez prétendre à tout, mais il faut savoir raison garder. Monsieur le ministre, vous avez notre soutien, le soutien de la majorité présidentielle. Sachez que vous êtes un excellent ministre et que vous faites du bon travail. Maxal Sall du porte-parole du gouvernement gouvernement